Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Je suis Habiba Ahmed en compagnie de Hussein Moukaila. Bonjour Seno, comment tu vas ce matin Très bien Habiba, et de ton côté Bien aussi Seno. Nous débutons le programme par les flèches d'information comme à l'accoutumée qui nous sera présentée par notre collègue Nafissa Adamou Surfo. Et oui, nous recevons Rafika Ataher pour la revue de la presse. Vous êtes nombreux à attendre cet important rendez-vous du vendredi. Sinon, nous n'oublions pas les autres rubriques qui sont la chronique loti, la culture linguistique, la page sport, la rubrique éco de région qui nous amène à Zender pour parler d'un flûtiste ce programme sera entrecoupé par des belles musiques nigériennes comme vous les aimez. Pour finir, euh, notre invité du jour est Krioche Soviti Jonathan. Il est étudiant en 8e année à la faculté euh, des sciences de la santé à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Avec lui, on va parler des maladies liées au changement climatique. Chers auditeurs, restez à l'écoute. Top, c'est parti. chers auditeurs, voici le flèche d'information avec Nafisa Adamou Surfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Habiba, bonjour Seno. Bonjour. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sont à Niamey pour discuter sur le processus d'opérationnalisation de l'AUS. E Ce vendredi 17 mai, les ministres vont mettre l'accent sur plusieurs textes, notamment l'avant-projet de traité portant création de la Confédération, le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État et le projet de communiqué final du sommet inaugural du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES. La Banque mondiale a annoncé mercredi 15 mai 2024 la reprise de ses opérations au Niger suspendues depuis six mois suite au coup d'État du juillet 2023. L'annonce a été faite le 15 février lors d'une rencontre entre une délégation de l'institution et le Premier ministre et ministre de l'économie et des finances Ali Mahaman Laminzen. Nous sommes là avec la ferme volonté et la détermination de pouvoir résoudre avec vous tous les obstacles qui restent pour une reprise totale des programmes de la Banque mondiale au Niger, a déclaré Clara De Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Enfin, la délégation de la Banque africaine de développement conduite par la vice-présidente chargée du développement régional, Madame Marie-Laure Akin, a été reçue hier 16 mai à Niamey par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mahamad Laminzen. Les échanges ont porté sur la reprise de la coopération entre le Niger et la Banque africaine de développement. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nefissa pour euh, toutes ces informations. Je vous en prie. Je l'annonçais en début d'émission que euh, les maladies liées au changement climatique sont au cœur de nos échanges avec euh, Monsieur Krios Jonathan. Alors bonjour. C'est nous. Merci de votre présence dans cette émission. Je vous en prie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, chers auditeurs, savourons d'abord le titre de notre première sonorité musicale. Il s'agit du titre fête au village, chantée par l'artiste Bilal Ketch. C'est parti. fussing, now you gotta say. Alright, alright. la fai Kobe, on va aller tous les sens sur la cadence, now you gotta say. The love impressively du coq à Cocorico. C'est la fête à boy, qu'on passe le mic like psycho. Le Niamey jusqu'à Bamako, Salamahara et Chico. African business, love in peace and happiness. Lies contre stress, homeless, contre stress. Faut que ça bouge au bas fond comme le vent, les rousses au bas Monte le son à fond, original dans le fond. Le calangou doit résonner car nos mœurs sont dépravées. Passe mon bonnet, depuis longtemps qu'on a déconné. Passe mon boubou et babouche. La fête, danse la fête, fête après qu'une femme accouche. Et oui, cher auditeur, dans ce titre Fête au village, l'artiste nigérien Bilal Kate nous transporte au cœur des festivités locales. Avec des rythmes entraînants et des paroles optimistes, il invite chacun à oublier les tracasses du quotidien et à célébrer la vie. Euh, ces morceaux, euh, véritable ode à la joie de vivre, incitent à chanter, danser et partager des moments de bonheur collectif. Eh oui, Bilal réussit à capturer l'essence des célébrations villageoises, rappelant l'importance de la communauté et de la convivialité. Fête au village est une invitation irrésistible à se laisser emporter par la musique et à profiter pleinement de l'instant présent. kanu kangabejani kokere maboru kori kangabejani barka da sala ba masala nyaga fosi na za musala zo musala kirin masola samo ne fola moro kala wala hey for hey hey beta zamu wasa fiesta africa piso zeta c'est la fête on se la pète fête après hasta la vista c'est la fête au village nyaga mochine on va aller ergo L'ambiance à tous les sens sous la cadence, sinon la caresse. C'est la fête au village, n'y a pas on va Dansa tous les ans sous la cadence, où on va La fête au village, la cantine. on va aller L'ambiance à tous les ans sous la cadence, où on va caresser. C'est la fête au village, la continue, on va aller L'ambiance à tous les ans sous la cadence, où on va caresser. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre Fête au village de l'artiste Bilal Kate, tout en espérant que vous avez aimé cette chanson. On se tourne à présent vers euh, notre invité du jour, Monsieur Crioche. Avez-vous aimé cette sélection musicale oui, sinon. <laughs> Elle a été parfaite cette sélection. Super. Alors, euh, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que sont les maladies liées au changement climatique D'accord, merci Sino. Comme tu me l'as demandé, je vais expliquer brièvement les maladies liées au changement climatique. Et pour expliquer brièvement, je vais définir mot à mot, tel que la maladie et ce changement climatique. Donc, cela signifie quoi Une altération de l'organisme qui est plus souvent liée mm. à cette modification ou cette variation de la température et des conditions météorologiques. Mm. En grosso modo, voici les maladies liées au changement climatique. Pouvez-vous nous donner des exemples spécifiques des maladies qui sont influencées par le changement climatique Effectivement, il y en a plein. Et je vais donner, par exemple, le paludisme, la méningite, la dengue et beaucoup d'autres tels que le choléra, la rougeole. Vachement, il y en a beaucoup. Eh, dites-nous, comment le changement climatique affecte la propagation des maladies comme le paludisme et la méningite D'accord, je vais m'apesantir d'abord sur le paludisme. Et en même temps, ça pourrait expliquer un peu la propagation pour la méningite. Si on prend particulièrement le réchauffement climatique, ça pousse ainsi la zone des moustiques à quitter leur humidité pour aller au niveau des, personnes. Et voilà, ça prolifère le plasmodium de plus en plus dans son organisme, ce qui incite à la plus de propagation du plasmodium et de la maladie du paludisme au niveau de chaque personne de la population. Ok. Alors, euh, euh, y a-t-il des, des, régions du monde particulièrement vulnérables à l'augmentation de ces maladies en, raison du changement climatique Effectivement, bien sûr. Il n'y a pas uniquement le Niger qui est touché par ce changement climatique. Il y a beaucoup d'autres, tels que je parle par exemple l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est le plus souvent touchée par le choléra, la rougeole. Il y a le Kenya, il y a la Somalie, il y a par exemple aussi le Pakistan qui est touché par les inondations. Il y a les, la Philippine qui est touchée par les cyclones. Tout ça, ça fait partie des changements climatiques et ces populations deviennent vulnérables face à ces maladies. Quel impact le changement climatique a-t-il sur les maladies respiratoires comme l'asthme et les allergies D'accord. Comme là, nous sommes dans une période de chaleur, je vais expliquer d'abord le du réchauffement climatique. Le plus souvent, l'asthme, c'est une hyperactivité bronchique due à une bronchoconstriction au niveau des voies respiratoires, c'est-à-dire quoi Les poumons se compriment. Mhm. Et vous avez tendance à remarquer que la chaleur augmente cette hyperactivité bronchique mhm. et c'est ce qui est susceptible d'entraîner ces crises d'âme chez les asthmatiques. Maintenant, pour l'allergie, on a quoi On a cette propagation du pollen parce que c'est un facteur allergène qui est susceptible d'entraîner les allergies et c'est dû à quoi C'est peut-être dû au réchauffement climatique qui élargit la, la, qui allonge la période de florisation de certaines plantes. Et avec ce qu'on appelle, ce qu'on a comme aussi par exemple au Niger la poussière, ça favorise la dissipation de ce pollen qui, qui peut entraîner cette allergie chez les individus. Et même ce pollen, ce facteur allergène peut entraîner aussi des crustacés chez les asthmatiques parce que c'est un facteur déclenchant de l'asthme. Voilà, donc, M. Euh, Monsieur Crioche, nous reviendrons vers vous pour la suite euh, passionnante. Pour euh, l'heure, suivons ensemble la revue de la presse avec Rafika Ataer qui vient juste de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Rafika. Bonjour, comment vous allez Ça, va, bien, bien Quels sont les faits marquants de la semaine alors, euh, le Niger maintient la fermeture de sa frontière avec le Bénin pour euh, des raisons de sécurité, rapporte le journal en ligne Air Info du 12 mai 2024, n'est-ce pas, Fika Effectivement, c'est nous. Le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, a réaffirmé samedi 11 mai le maintien de la fermeture de la frontière nigérienne avec le Bénin pour des raisons de sécurité. Il a accusé les autorités béninoises d'avoir violé une dizaine d'accords bilatéraux et tripartite, en particulier en ce qui concerne le transport du pétrole brut nigérien. C'était lors d'une conférence de presse animée à Niamey suite au blocage du pétrole nigérien par les autorités béninoises à Semepoji. Cette absence de réciprocité a conduit à cette mesure de rétorsion. Bien que le Bénin ait rouvert ses frontières avec le Niger après la levée des sanctions de la CDAO et malgré les appels du président béninois Patrice Talon pour normaliser les relations et ouvrir la frontière afin de faciliter l'exportation du pétrole nigérien via le port béninois, le Niger a maintenu sa position. D'autre part, dans un article publié le 15 mai 2024, Air Info révèle que le Bénin lève temporairement le blocage sur l'exportation du pétrole nigérien. En effet, le Bénin a décidé de lever temporairement son blocage sur l'exportation du pétrole nigérien, autorisant ainsi le chargement du premier navire chinois. Cette autorisation intervient après l'arrivée du Bénin d'une délégation chinoise qui s'est entretenue avec le chef de l'État. La décision a été annoncée lors d'un point de presse par le ministre béninois des Mines, Seydou Adambi, qui a précisé qu'il s'agissait d'une mesure ponctuelle et provisoire. L'opération de chargement devrait démarrer normalement hier 16 mai 2024 pendant 36 heures. Rafika, l'essor du président de Bazou Mohamed suspendu à la date 17 juin 2024 parution du journal La Roue de l'Histoire le 16 mai 2024. Oui, Habiba, le délibéré de la demande de levée de l'immunité du président déchu Bazoum Mohamed, attendu le 10 mai dernier, a été reporté au 7 juin 2024. Ainsi a décidé la Cour d'État qui a accédé à la requête des avocats de l'ancien président. Le Conseil de Bazoum dit disposer de nouveaux éléments qu'il compte verser au dossier. Selon le journal, avec le report de la levée, de l'humilité, l'on peut se demander si les éléments nouveaux en possession des avocats de l'ancien président pourront changer le cours du procès eu égard aux accusations gravissimes pour lesquelles il est suivi. Le journal Le Courrier, quant à lui, rapporte dans sa sortie du 16 mai aussi que si la Cour d'État lève l'immunité de Bazoum, celui-ci répondra devant la juridiction des faits qui lui sont reprochés, une première de l'histoire de la République du Niger, une première qu'un président de la République sera jugé. Et pour bien de Nigériens, selon le journal, le président de la République est un citoyen comme les autres, soumis aux mêmes lois dont il est lui-même le garant. Rafika, le chef de l'État, reçoit les gouverneurs de huit régions du Niger. Le quotidien Le Sahel, parution du 16 mai 2024. Oui, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Tiani, a accordé le mercredi une audience au gouverneur des huit régions du Niger. Ces derniers, nommés au début du mois d'août 2023, sont venus rendre compte au chef de l'État des activités réalisées après dix mois de fonction. Par ailleurs, le président du CNSP a rencontré le même jour une délégation de la Banque africaine de développement BAD dans le cadre de la visite de travail qu'elle effectue à Niamey pour le partenariat et la coopération entre le groupe de la BAD et le Niger, rapporte l'agence nigérienne de presse. C'était l'occasion pour la délégation de la BAD de faire avec le chef de l'État un tour d'horizon de la situation du Niger, des différentes opportunités, mais également des défis auxquels le pays se trouve confronté. La vice-présidente de la BAD ajoute, plutôt qu'il se projette dans un avenir où effectivement cet accompagnement pourrait prendre d'autres formes toujours dans l'intérêt et le bénéfice des populations nigériennes. Elle a aussi donné un certain nombre d'explications tout en présentant les domaines dans lesquels le peuple nigérien aurait le plus besoin de soutien de la banque, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et voilà pour la revue de la presse de ce de cette semaine. <laughs> Merci, infiniment, Rafika. Chers auditeurs, vous qui nous écoutez en direct, euh, je vous rappelle que notre invité du jour est Crioche Jonathan. Il est étudiant à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Alors, euh, on va se retourner vers lui encore une fois de plus euh, pour poursuivre avec nos différentes questions. Alors, Monsieur Crioche, quelles mesures les, systèmes de, santé peuvent-ils prendre pour s'adapter aux défis posés par le changement climatique D'accord, merci Sino. Je vais particulièrement commencer par mettre en place par exemple, un système qui sera là pour prévenir précocement s'il y a un changement climatique. Hmm. Et je vais inciter aussi au système de santé Mhm. d'accentuer la formation des professionnels de santé, mhm. également aussi de toucher les acteurs politiques afin qu'ils puissent prendre des mesures nécessaires, puisque apparemment sur ce, ce domaine du changement climatique, on a, on a tendance à voir un peu la disparition de, de nos acteurs politiques, ceux qui sont les autorités bien sûr, sur ce changement climatique, et ça risque de d'élargir beaucoup de maladies. Et voilà, on risque d'avoir des épidémies si on ne prend pas les choses précocement. Parce que moi, je suis, je suis de la logique où on dit toujours vaut mieux prévenir que guérir. On ne doit pas attendre que la pathologie s'installe pour prendre des mesures. Il faut s'attendre à ce que la pathologie, la pathologie arrive afin de puisse prendre en charge précocement cette pathologie. Pensez-vous que la communauté médicale et scientifique sont suffisamment préparées pour faire face aux défis sanitaires posés par les changements climatiques Particulièrement, moi, je vais dire non. Je ne pense pas que nous sommes suffisamment préparés. Et que quand nous regardons déjà dans le système de santé avec le manque de matériel que nous avons, nous, constatons déjà que notre système de santé en matière de matériel est vraiment déficitaire hmm. et que la population nigérienne n'arrive pas à avoir les soins nécessaires vu que si même la pathologie est présente et que la population n'arrive pas à avoir les soins nécessaires, je ne pense pas qu'une pathologie ou une épidémie qui vient s'installer à cause de ce changement climatique, on pourra prendre ça en charge efficacement. Mm-hmm. Et, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va falloir faire ben, je pense qu'il faut toucher toujours les autorités, les acteurs politiques, c'est eux qui sont à la tête. et doivent fournir un certain nombre de matériel vraiment à la disposition de la population et vraiment comme nous-mêmes, nous sommes des étudiants, nous avons nos professeurs, nos, enseignants, nos scientifiques qui sont là euh, particulièrement au Niger. On a beaucoup très efficaces. Je pense qu'ils doivent, ils les contacter, appeler tous les professeurs de chaque faculté, tous ceux qui interviennent de changement climatique, discuter, déposer carte sur table, ce qu'il faut et ce qu'il faut faire, ce qu'il, comment agir et inciter aussi à la population, puisqu'il faut sensibiliser la population. Il ne suffit pas de toucher uniquement les autorités. La population euh, a aussi à sa part de responsabilité dans ce changement climatique. Parlant également de la contribution des étudiants, est-ce que au sein de votre université, les étudiants qui sont euh, au niveau de la faculté des sciences de la santé, est-ce qu'ils mènent des activités dans ce cadre Malheureusement, <laughs> non aussi. Parce que le, tout ce système de changement climatique est vu qu'il n'y a pas de communication, la météorologie, rien ne communique par rapport à ce changement climatique. Nous, on ne peut que guérir, on ne peut pas prévenir que guérir, comme on le dit. Donc, du coup, si vous prenez particulièrement les étudiants en de la première à la septième année, vous leur demandez est-ce que vous avez fait un cours sur ce changement climatique Ils vont vous dire non, particulièrement ils n'étudient pas cela. Et ils n'ont aucune idée de ce qui se mm. passe. Vraiment, mm. c'est un vrai souci, quoi ça je vais demander d'accentuer la formation du professionnel de santé mhm. sur ces maladies liées au changement climatique. Mhm. Parce que ce n'est pas uniquement la médecine qui intervient dans ce domaine. Il y a beaucoup d'autres choses, telles que les météorologues, tout ça, sont des acteurs de ce système. Mhm. Alors, euh, pendant euh, la période de la chaleur, surtout ici au Niger, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui saignent au niveau euh, du nez. Est-ce que cela est lié au fait du changement climatique oui, ça peut être dû au changement climatique parce que le saignement au niveau du nez peut être dû à beaucoup de pathologies, hmm. dont qui peut être dû aussi à ce réchauffement climatique. Comme je venais de l'expliquer, quand vous prenez certaines pathologies, ah, des infections respiratoires, les infections respiratoires peuvent être dues à ce réchauffement climatique. Et beaucoup d'infections respiratoires peuvent entraîner ces saignements au niveau de ce dîner. Donc c'est un vraiment un facteur susceptible d'entraîner ce saignement. Alors, Crioche, en tant qu'étudiant en médecine, quel message aimeriez-vous transmettre aux décideurs politiques concernant les changements climatiques et la santé publique Aux décideurs politiques, la, première, la première remarque que je vais leur faire, c'est d'abord, un, il faut accentuer la formation des professionnels de santé parce que ce sont eux les premiers acteurs. Secondo, mettre en place un système de santé qui pourra agir précocement et non attendre quand la pathologie survient pour agir. Hmm. Parce que déjà, au Niger, nous avons un système de santé vraiment qui est, si je peux le dire, archaïque. Nous n'avons pas un bon système de santé. Il suffit juste de voir la formation dans les hôpitaux, les paiements des salaires de, <laughs> nos chers docteurs. C'est n'est pas du tout la joie. On ne les incite pas à travailler, on ne les incite pas à chercher vraiment. Je prends par exemple nos docteurs en spécialisation. Aujourd'hui, ils ont quoi Ils n'ont même pas le salaire d'un simple fonctionnaire. Pourtant, ils ont un bac plus combien Un bac plus 10. moi, je ne trouve pas ça légal que pour quelqu'un qui a un bac plus 10, il n'est pas suffisamment payé. Et pourtant, c'est lui qui est toujours à l'hôpital et pas c'est H24, c'est H48 à l'hôpital. Tout ça pourquoi Pour aider la population, pour les soigner, pour les pour vraiment pour sauver, des pour sauver vraiment des vies. Mais malgré tout ça, on les paye vraiment avec un salaire, si je peux le dire, misérable. Mm. Parce que ce n'est même pas un salaire, si je peux l'appeler. Mm. Donc il va falloir plus motiver. plus motiver le, système de, santé vraiment. D'accord. Alors, euh, que pouvez-vous conseiller aux citoyens pour euh, atteindre les impacts du changement climatique sur euh, la santé D'accord. Merci beaucoup, Seno. Au niveau de la population, je vais les inciter à quoi La première des choses, c'est peut-être réduire la consommation d'électricité. C'est un facteur qui favorise aussi ce changement climatique. Il y a beaucoup qui ignorent cela. La, euh, en seconde position, peut-être, c'est éviter à ce que les moyens de transport polluants rentrent dans la population. Parce qu'on a beaucoup de moyens de transport qui polluent l'environnement et ça, ça a aussi un effet sur le changement climatique. Parce que ça peut vraiment mobiliser la chaleur que le soleil nous dégage et éviter aussi la pollution numérique. Bon, bien que ici on n'a pas assez d'usines pour parler des effets, gaz à effet de serre. Et surtout aussi beaucoup, planter beaucoup d'arbres, c'est vraiment efficace pour ce changement climatique. Merci infiniment, Monsieur Crioche euh, Jonathan, euh, d'avoir non seulement répondu présent à notre invitation, mais également d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons un bon vent euh, dans votre domaine, dans votre carrière de médecin. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, sinon. Abiba, on prend une petite pause et on revient juste après. D'accord. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 24 minutes. C'est nous parlons entrepreneuriat. Tout à fait, il s'agit de notre rubrique hebdomadaire entrepreneuriat. Eh bien, le groupement des femmes euh, Kandei Gomni de Birning est composé de 30 femmes qui font des activités génératrices de revenus. Euh, c'est un groupement qui a été créé depuis des années, mais il a été euh, réorganisé il y a 4 ans de cela. Cette nouvelle réorganisation a permis aux membres de bénéficier des séances de formation dans plusieurs domaines

iga bai hayo wala mo arande arano burme gudo no arano grup mo singi aran gogo yadin wallahi grup mo gonde tira hayr tira tasi ir irje gi tirta si zagi dai kan sam grup mo wa agai apre akani kay ni fo hino irje ga atulandi ir gonde tira tiri zena idin balandi irje ga tirta te ase ko en so dai nan kan ir goda ir gogo mo wa gonde tira sun wai bore kan gogo ban hora wo fogati sana'a kan bagoyen kan igoti wallahi way k'an go groupe mo wara ikul commerçant yan da yan ga dambu nera barkay yanga kobte nera ime ame go commerce suno ikul gati a même temps ir groupe mo wara ir gumbo ir bonse ir ga zubite ir ga barbare ir ga sabo yanda ga dan kyar gagaro semen semen imi yiti nan wora ya dai no ir gogir wana murada ite da to zangani ne way k'an go groupe mo wora yan yanno mm. aran bai gudu zanga imne kungiyar fo kanka goye borai no bon fere hankan gati nge wani kumar so din kigote wallahi gudu wa zamkayar boro inda no go charbande wada da kulli ka wa kul ka irgir zubai tegi ka ka te se control ita jirguna yido wani giri sambu bumbu ayi wani do wani gai sambu farmasiyo yando ayi do wani koi tawa ayi do wani koi mara farmasiyo yando bon fere wani dirka mu ci ise matkan matkan agogo te da alhamdulillah ba so mo irgaga to ton bay commerce wala sana'a kulkan nugote dungo bon fere ingano haya kwai da gina mhm. surtu hankan ga tiwai borai ima wani kyauyen mhm. da hantum yan wadu hare mhm. aran gogu dubo ga kisina to wallahi godi zan zamo wani formation bumbono ai kwai da formation wutun irin kwai di formation dai ka miki ise boriyan gona kan kyawira boriyan man kyawira afoyan kyau afoyan man kyau da yarin dai da wani gogu charbon ai ferin da afoyan gona kayan ba kan man kyau ibon aife da babu a kai yanke ibi fahim to zanga son nan kufan gona kan waiburai yi sai zanga santar yaki ne mm. kan gidan dangan di manti ba kan bagoi kyauyen da hantumiyan kan sai igane kurda di alphabetization aran wani gurfuma waiburai ibai gudu ga suna da duma Allah irin man duga suna da duma amma irin bo irin ragon da barkan dona gati zanjir sekretero a goyi mai alfabetization non go to zanga wai bore kan go gurbin wura da bai nan fon go kan iga nuhurdan kyara burfon iga fai burfon yin iga te asusu arin wana matakin na agogo da irwo na zubi no irgate shaka bandare di bor kulga da hankan nara wata kuli riga dan kadda to han foya han do hakku ima da dum no bor kulse a même temps irgi wona guinéen daygi barbarga neeraga dancar ga garau nga mo da to ima bugu im no bor kulise to ne bai gurbu ma foyin na kan goibore kan ka an gai wannan kan boki gote ngai ban siwa ne mhm. gurbu ma gobo wanda kan bagoi kan igine zan hanka na ranga te zubidin mhm. igine to hunkuna goyi no kan igite gurbu wasi go na kan igite garin dan wake da mhm. igware barbare amma gurbu ma maga kan ba da igu ko exposition gano ce bigini fama e kan gugu kuma yakin ingano no wonete eske aran wo do hare wodun gono to wadin do ido irna gayi ido na gata ma ba so il gwanda aniya ir aniya ga aiki wai baraisi ir mu kyarkan badan kyarkan bara gudu iri goyo kan dumo iri gite ba ina exposition wala haifo goro irin ma jarga kwanda irgonde wodi aniya inchallah gaksina ino irguba gaksina no go girgan girin wodi yante ko to zanga so goyi ta karan gote sana kai ni kai ne mun gano aran go koy gine de go hankan bure gote wallahi irin koy ne e kolera boryan konde e kolera boryan gor winde mayiga boryan gitalla irra wo kai sinde barkan go gor kan buku bor kul kan di grupo mon bora gonde ngi kamba ne ran do ke kan bora gote Reportage signé Hawa Ousmane. Chers auditeurs, partons encore en musique avec la chanson opprimée du groupe DLM Outlaw. <laughs> ignorance d'oubli le mépris des droits de l'homme Sans seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements Pour ça je dégaine le pour amener mes frères et soeurs à la maison Que soit lumière qui les sur le droit chemin Faut qu'ils respectent le droit tout être humain canonné au-dessus de la loi Les lois sont faites par les hommes, ceux d'un la même qui la foutent aux abois Trop de frères enfermés pour des crimes qu'ils n'ont pas fait Trop de juges ainsi qui se disent trop parfaits alors qu'ils violent, boycottent, persécutent nos droits Pourquoi nous priver de liberté Parce que t'as le droit tirer sur tout celui qui revendique justice, liberté, paix Parce que t'as le droit d'être armé, parce que t'as le droit de gouverner le peuple qui t'a choisi, que tu plonges dans l'impasse chaque seconde qui passe. suis de cette nouvelle génération qui lâchera pas prise, mec, faut que tu piges. Pour ne pas acquérir ta liberté pour toi tous les opprimés sans cesse dans la bassesse. Je représente la presse pour tous ceux qu'on compresse. Hardcore, hardcore pour le foot, le stress. Pour tous les opprimés sans cesse dans la bassesse. Je représente la presse pour tous ceux qu'on compresse. Hardcore, hardcore pour le foot, le stress. Pour tous les opprimés sans cesse dans la bassesse. Je représente la presse pour tous ceux qu'on compresse dans brouillard, j'amène de l'espoir à tous mes confrères, afin qu'ils puissent voir la vue du bon sens. Je prends leur défense, apaise leur souffrance. Face à l'ignorance, faut qu'on se place tous. Faire plein, je l'oublie, faut qu'on y pense tous. Qu'on pousse tous ce test innovateur contre le mépris de nos droits. Ouvert pour tous les exploits, j'emploie du bon côté de la proie. Tous les hommes naissent libres et égaux, ainsi je lève le drapeau. À chacun son but, à chacun sa chute. Hier, aujourd'hui, l'État nous persécute. Le trafic d'influence qui truc toute la justice. Trop bavure policière, je représente les victimes de la torture morale pour les fumigènes représente ceux du et d'ailleurs, vu que c'est pour eux complète, dédicace à tous ceux qui sont acteurs de leur libre décision. Être ou ne pas être n'est plus la question, faut qu'on mette la pression. Ils se sont trop enchaînés, nous nous sommes trop inquiétés. Jusqu'à quand allons-nous nous faire diriger par des gens qui volent notre destinée Pour les opprimés sans cesse dans la bassesse, pour tous ceux qu'on compresse oui, le titre opprimé du groupe DLM Aulo, l'un des pionniers du rap nigérien, constitue une critique acerbe de la situation sociopolitique du pays, à travers euh, des paroles percutantes, le groupe dénonce la mauvaise gouvernance, l'abus de pouvoir, la corruption omniprésente et les injustices qui minent la société nigérienne. Ce morceau reflète la frustration et la colère d'une jeunesse désillusionnée réclamant justice et transparence. DLM Outlaw utilise aussi la puissance des rap pour donner une voix aux opprimés et appeler à un changement radical en abordant des thèmes aussi cruciaux. Opprimés s'impose comme un

représente la presse pour tous ceux qu'on compresse. Hardcore, hardcore pour le foot, le stress. Tous les opprimés sans cesse dans la bassesse. Je représente la presse pour tous ceux qu'on compresse. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Opprimé, euh, chanté par le groupe DLM Outlaw, euh, un groupe qui n'existe plus de nos jours. Voilà, donc euh, poursuivons euh, notre émission cette fois-ci avec euh, l'écho des régions et en Zander, plus précisément dans le département de Cantier. Donne-nous les détails, Haviva. Eh oui, c'est nous. <laughs> L'écho des régions nous conduit ces jours à la découverte de Ado Corwell, les seul flûtiste du département des Cantiers au temps de la Samaria. En effet, la culture au niveau des Cantiers se trouve dans une situation inconfortable du fait euh, du manque d'intérêt et la non-organisation d'activités culturelles. Ado Corwell, flûtiste, explique ce qui l'a motivé à s'intéresser à la flûte. Il est interrogé par Habou Sarki. Malam Ado Korel ko kana iya gamna ko me yasa kama zama mai sarewa ko kuma mai busa sarewa? A can da muna gida kada zaki kauye, aka rika hudo wasan samariya to da muna yi da busa bindi muna yi tiri tiri tiri muna ta wasanni a dandali sai muka dan fara koyo sai aka hudo wasan samariya sai aka kai mu kada zaki muna yin wasannin mu anan muna bin garuruwa kauye. soki mm, kuruka daushe bako tumfafi duka garuruwan wannan muna zuwa ko sabga aka yi an kawo muna takarda mun ji ana ta murna kawai amma muna abin arziki muna ta birge mutane har daga nan ne kuma sai aka ambata din nan mata mi da muka zo wani wasa da aka yi nan he suka kwace ni daga Karzaki aka ce Karzaki wata ce suka koma gida kuma suka ce ani wasa na wuce kawai he gari kinan gadan ta ne kai koko dai kawai haka ne ra'ayi ne kai ka a ra'ayi ne ra'ayi ne kawai kai ne habarin mu a can daji kawai kana dajin kai kai busa kake ta yi kana muriya kawai to yanzu shekara nawa kai wato kana busa ta gaskiya shekarun da dama eh, mana ado wato kayi zama mabushin eh, sarewa na jihar da magaran musamman ma zuwa festival festival ko kana iya gaya mana wacce ce ta kai ka festival da ta farko a wannan festival ne kuma a wata waka ce ko bale can da da fara ku fara bale karzaki bahulla ce ya yi da zobe bakin ruwa muka yi muka taho nan gari kuma muka yi wasan bohido bohido ba ado ba take tunda zane guda take daura al'adu ne na da muka yi shi anan eh, amma kuma mun ba da abin mamaki iyaka mutane sun mun birge su gaskiya din da muka je muke cin wasa sai dai a ce saboda mu je kankana ne mu ne musa kankana mu nan karama ce ga da magara kaman wadda kuka je festival da ita wacce ce ta farko ta farko da muka yi bahulla ce da zobe baki ruwa kana muka zo muka yi bofi da aro ba take yi shine da muka birge mutanen da shi sai dai wani comedy musical haka ai gama kayan kiɗi goma sha biyu wannan abin da muke da shi ne yanzu ko kana iya wato busa mana ka ta farko wadda yi a festival da sunan jihar da magaram wani amfani ka ci a game da wannan busa sarewa ni na ci amfanin ta sosai ma kan kai kan yasa har armi na yi da kuɗin busa sarewa mun ci arzikin ta sosai wallahi duk wace ta kayatar da kai ni babu wadda ba ta kayatar da ni kowace aka ce min in yi ta ana wasa aka ce in yi ta yi ta zani kai dai yanzu ado wato tun da ka fara wasu irin matsaloli ne ka fuskanta. babu wata matsala a gare mu tunda shugabanninmu kawai sun riƙe mu da muhimmanci ba su san ma haƙƙi ya taɓa mu muna jin daɗin zama da su inda matsala kai ƙarami ai wurin babba za ka sami to shi babba ya baka daraja ka ba babba daraja ba faɗa ba kuma hiziminci kawai. mun san cewa akwai kamar 'yan matan 'yan gudau sun yi e, shahara a ƙasar Nijar an san su ko ka taɓa wato aiki da su watakila ko busa musu sarewa a yayin da suke wake-waken su. A'a suna cikin gurbin ɗin ne. Mm. eh tare da muke da su eh, tare kuke da eh, haka eh, mm-hmm. mai musu busa daban lawali mm. eh ni kuma ado kwarel ni kuma mata me mm. eh su kamar yaran mu ne su um, malam ado ko kana da yara wato waɗanda za su iya gadar ka yara na babu wanda zai gade ni gaskiya baka koya musu bane ko kure su ne ba su yi ra'ayi ba yaran zamani ne ba sa koya ba al'adun birni suke mu kuma al'adar kawai ce ta sanya muku shigo gari mm-hmm. eh shine kawa kana da su ba kiwo suke mu kuma kiwo muka yi a yanzu me ka gani eh, wato a game da eh, wato al'amari na al'adu namu na Nijar tun lokacin festival har ya zuwa yanzu me ka gani na ci gaba ko kuma koma baya an aka ce kamar can lokacin festival ga irin abubuwan da ake a yanzu kuma akwai ci gaba ko koma baya ne habu sarki abin da kaga babu al'adu ai ci gaba shi ai muhimmanci ya ce ko kuma kaga babu sarki ya so zumunci babu shi amma in dai da al'adu duk inda ka je da hannu biza amshe ka haka cikin murna duka kaf kasan mu kenan kana son ka ce a lokacin da akwai festival al'amura sun yi tafiya daidai zumunci da eh sanayyar juna eh ai zumunci ne zumunci ne duk inda ka je murna ka ake Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'ère du sport et notre chroniqueur sportif Assariu Adam est dans ses studios. Bonjour Adam. Bonjour Abiba, bonjour Seno. Bonjour Adam. Alors, euh, avec quoi nous allons débuter cette page du sport Eh bien Seno, l'actualité l'oblige, nous allons revenir sur le tournoi IFOAB. Hier, le match entre le Togo et le Niger a été reporté pour ce matin à 9h GMT à 12 h heure de Niamey. Ce report a été causé par une grosse pluie qui a rendu la pelouse impraticable de l'autre côté d'Accra. Actuellement, le match est en cours et nous allons revenir avec le résultat dans nos prochaines, éditions. Alors Adam, parlons à présent de la Super League de football. Eh bien, hier, deux matchs étaient au programme de la 26e journée de Super League. L'AS Police contre Renaissance, victoire des policiers sur le score de 2 buts à 0. Et ensuite, l'Olympique FC et l'Ice Douane se sont neutralisés 0 à 0. Ce soir à 16h, les deux leaders du championnat feront leur sortie. L'ICE Fan sera opposé à l'Akokana Football Club d'Arlit et l'ICE GNN sera opposé à l'Urana FC. Adam, pour finir, parlons du 74e congrès de la FIFA. Eh bien là, c'est nous, les 211 associations membres de la FIFA se réunissent aujourd'hui sous la présidence de Gianni Infantino, président de l'instance internationale de football. Ce congrès statuera sur plusieurs points, dont la lutte contre le racisme dans le football, le vote du pays ou des pays organisateurs de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027. La fédération nigérienne est représentée dans ce congrès par une délégation composée par son président, le colonel-major Jibril Hima, par Omaru Hima Souley, membre du comité exécutif, et le secrétaire général Moumouni Amadou. Chers auditeurs, c'est la fin de ce dernier numéro sportif de la semaine. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. Voilà, merci Adam. Passez une excellente euh, journée. Notre portrait du jour porte sur un homme âgé de 50 ans, marié, père, marié, père de trois enfants, n'est-ce pas, Habiba Oui, c'est nous. Il s'agit de Ali Kimba, un pêcheur natif du village de Tiré dans l'arrondissement communal Niamey 5. Il a commencé à exercer ce métier de son bas âge avec ses parents. Notre reporter Omar Hamma est allé à sa rencontre. Voici son portrait. agogor hiyora hikaiga se kambara abilile da wani birjogogagu sama se ali kimba wodai agonyengo amantikala non ka ago cecenga ma isa dangandi ga koigur mace ka ago nga hamisa ka adu nere goyo wo amantikal herka tubu za wani hairega irwasinda goy kulhun kuna gamanti sor a ah, wallahi sor ka hun kundagin ta gonda jiru waygu cindi fola sabe ayo sor ke irne tun ay sida goy fo kul kam manti sor ke tanga yan ga jiri iya go koy ben kul sor ke goy ko nay gate an kan ka gan ni baba wal ni kayi go gate isinda goy fo kul kam man imani ke goy fo kul kam man dole wodi no ni ga gana savilo kannan ay huro sorkara no ay sigoy fo kul be kala sorka hun kuna kam barme wonte borago kambo kambo on kaate zawni be dutije gi banga bu zankei iga goyeydi iga yebebebe aga keina fo o nafa kai du sarka tarara asinda kulme lele ai bun boda haya kai ine kebunda sorko tari albarka rano ine kebunda ai mu ai hija ara ai yega kebo ara halga ka hunkuna aigon ngari go afu kamu ala kaso sorko tarare na ka inshallah ba kan hukuna bangai ngo isa wora kango kande sorke se lahani ali wode agodu ginga murade feri isa wone wora sende wo kayr du sorko tarare wo soti son zamano wora hir sigiri ganji irma irwane sorka kani wogati wi kan goga bore zaga ke ngi nugo ganji irma irwon sorka kani ndi amma ma todi o inde kera gambara walla alhamdulillah wa fuke gono wani wana bat mo wara isinde kere hayo kul bange de no ganji irma irwon sorka kani hunkuna umar sumana kan sigane dodo borowo amanti kala borno kan nganda ga goy isabo agoga sabu matkan igo ginge goyo teda nganda ali isawo bom ay gali be mo za kan inde kul jiri follo inde no tunneyo kalde son irberi beri ir sintinga bangu yon tam irge cerbe bangira kalde irdo isara zade aga do inga babande ay gabi kalson ate inga bumbo inga bumbo akaba kare ate baba son inga bumbo agoga do irmo irgana irgo irgoga ɗo so cer cerkuɓe isara ali o sorko aten sorko paradama ali watojin kan isaga ɓuri ana hamisa wi gumo amma de kan isa ye banda goyeymo sintinga barmi barmi ɓorno kan sorko tarara amma mbeyga dirbu wani patimo sanko taru wani sanko fa bine ingande sorko fo ima yenji isara dangabata kan ali kemba na degoyo wona goginga wane almayalay jerenda agoga cecimo kan nega jine awone isey matubu de sorko tara wonega Voilà, chers auditeurs, c'était là le portrait de Ali Kimba, euh, portrait réalisé par euh, Omar Hama.

diversifié la fiesta. Rentre dans un mets-toi un crier fire. Allume ton que ce soit l'ambiance de dingue. La après-midi à danser sur la piste. Sur le pas de danse si tu kiffes la boumba. Rentre dans un mets-toi un crier fire. DJ au moins de décibels, ce soir c'est ambiance mortelle. Tel bel tel vaillard qu'il faut pour faire tout le monde dans septième ciel. Oui, que de vas-y, saute dans la danse comme un antilope. Pas de bruit, allume ton briquet si tu aimes le dance soul toutes les capitales. Tout le monde devient fou quand le son de ma zone résonne. Au microphone de la voix de Danny qui cartonne dans les maquillot. système qui a où tous les jeunes de DC qui viennent sur Babylone. Firebonde, firebonde, firebonde. Yaman, yaman. Allume ton briquet si tu niques le système. Allume ton briquet de moi à London. Allume ton briquet de moi à Washington, de moi à Kingston. Yaman. Allume que ce soir l'ambiance est dingue Dan il est invite à danser sur la pista Sur nos pas de danse si tu kiffes la fiesta fist the fire. Moi je suis là pour vous pour te dawa mais c'est fait rasta. Dans ce temps pour rentrer chaque soin pour rentrer. Moi c'est du bon million million oui non mais plus de santé. Kim tu vois chaba bella ni otake na ni passe. Put on the angle and beta do me to man dance. Down the listen that you when give me son and and. Kaya son and that you say give me son and and. So for man man Batman way. So for man man Batman way. Give me son and me me na me me na tigande. So for man man Batman way. So for man man understand you. Give me me, me me me me me me me me me me ce que à danser sur la pista. Sur nos pas de danse, si tu kiffes la fiesta. dans le mets un fire. Allume ce que La à danser sur la pista. me doa lesu, soy de por rapidement dans la sauce. Sur son balai, je fous la dose. Sur la scène qui contrôle, c'est les experts au mic. En surface, on prend le public. On n'a pas du fric, mais on s'est faroté des lyrics dans les halls. Ça raison du dancehall. Alors MC attache la ceinture pour vol C'est une balade musicale et non des cours de morale. Si mon son t'excite, allume ton briquet vers le ciel. MC mon crew fait partie de la old school. À nous se trouve la potion magique qu'il faut pour rêver la foule. Sans stress, sans complexe, princesse. Bouge de fête, de Niamey à ta Quand à toi MC, vas-y, balance. Suis cette cadence. Monde moi ta performance. Je veux voir tout le public en transe. Allume ton oui, que ce soit l'ambiance est dingue. Dani les invite à danser sur la piste. Sur nos pas de danse, si tu kiffes la fiesta. Rentre dans son et mets-toi un cri et fire. Allume qu'est oui, que ce soit l'ambiance est dingue. La t'invite à danser sur la piste. Sur nos pas de danse, si tu kiffes la fiesta. Certains gardent les invitent à danser sur la piste, sur nos pas de danse, si tu kiffes la fiesta. Rentre dans le son et mets-toi un crier fire. Allume ton ce que ce soit l'ambiance est dingue. Gardent les à danser sur la piste, sur nos pas de danse, si tu kiffes la boomba. Rentre dans le son et mets-toi un crier fire. la chanson Alim Tombriquet de l'artiste Danili. Voyons à présent de quel sujet parlent les femmes de la rédaction de la chronique Lotti. Eh oui, Habiba, aujourd'hui, le sujet qu'aborde le Lotti, c'est à propos euh, de certaines femmes mariées qui cherchent, qui cherchent pas, euh, qui restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes chez elles. Elles, elles sortent de tort à travers souvent, mais cela pourrait avoir euh, des conséquences sur leur vie de famille. Écoutons cette discussion entre Salamot Kadri et Aminata Aboubakar. Salam alaikum As-salam alaikum Hey, wulak bag na isin giye no maino aine ya ne hari ni kayino o. eh bere wo fanda kayan son kai da yimina ha halima sun wani singu gwarni windi zora ke hin zanta ne akan ai ka gin ha su su boga kason da gangan mo nai go ka te gin ha fa ai sin garfu ni godai dai barkan han sin ce bandai logu ni singu gwarni kwara ba ni goni ga ni kin wayi giza kaina ha he bege bani hai kan ne wada nai go ai wani gwargi sina kwara ni gwargi sin kwara ni kwara no ha ni fuwo no kan ni gono din susu bai kason ni singa banganda ah ayo wo kai man dita alkan gara no gai ga wudin sai no ay ga hatta koya halima ni bombay mo bay barkanti ni ha faji no goni ga ni sinda tele no he wonin nera no la ni tela ni bani bere tela kan go to ifo seno nigdir gin windi zo nan ferante inga ni ani porte mo yo gone ga feri bor kulga fatara ni ni hay kan goti ni singa gor ni kwara ni go bor fofu me ga tun za su so bay kalu cer buni de al salam tare an wadin harramandi ha ni woy bor hanna ban kwara i man ne gor ka sino aran kan bani wadin bun boga kanu wala aran ma cor biago amma mu biya bora kwara bora singa ba yollo tufuni maga a goda gin mo feri gin gunni ste lakkal eh bege ba fo do handino gaga hay kan do kurnyo kay go jin haga ay binde go salon gu gohu da a daga irmiye jirfa karati koyni subhanallahi halima he ni ba ni gonga ni woni go son ni wo ba kurnyo ka ni stela kalgadir ni bumbo ni ha faida ise furga fatta za fruga ga furga fatta no ni ga te muna kifi Ay goro Ay kwara manne a bisai koyi manne ha ni godai fu me ga ga kabu ninno ne he rakiya na min no sanni kan gani su bai ai ko hanya da fatta za su su bai kalci ni daka ai hina no go windora wadin sai dai no ai mai ko ikwara ai giga go no din bumbo na gai da yan wuti subhanallahi ai koi halim ni gai da gai mate krizi ga bu ha nin dai no ga gai tension o nan di koi hun kun gai ko kai yamu yamu so halim ni woni singa da kan windo wora ni bonse to na imcin sai sanni fu hun kuna hun kuna igwar fa karai ni sai ni kwara ah masha Allah hmm? yi gugwar ka de wicir kan mu kali cini era kan cinni kurnya ka ay mana se kan a am hijig da kiniga am te ni se wacce ma da ni se fuiza fadira ni ga ban ganda ga zam ni se ga faji koy ni gonda ni gudu fakari me yadinga subhanallahi yadin ga ni se bai se kul gomni hal mu ka gu wicin ware yai se ay wada dai wadin no ay siye ga ce ta mu koy ni gor gisin kwara hmm, to za kan ni baya gani bon samu fattani mayora mi am ah, fattani mayora ni bon se me zama yi wo bumbo ga bai kan ni gor gisin kan kwaru go koy din ha dai no go ga da munen sai kan wallahi limuni go gai dorandi ai fargan ni amma kam ni sin bombay bai ni ba mondu magun modin koi ni ko dai gorgeni hin jai ka tara sen sugun gidi harai kan du mago ni se ni magun ni ko dai gornu rakiya ni sanno dinu chimino fa amma wankan tegi bisu wo irmi dirnyangaga di irkoi ta layri hino wo aiga te izu wai aiga banai kwara kan borai bun bono ga kare kan bani aiga ga sino insha allahu so handa aiga koi ga yafi ce ga zan wallahi nigi fa. do handi gaga to za kan ni bon boni bai ni bon sai talai kan ni gone ina han fan bor min ga bon chabe borai min chabe gune ai wai farga ai fargan da ni bo ba gun kalai karra ko gun mata kai ko gunda do sai har yene fo borai ga bin yenan a ah, da har no kai tal saga son da son da kan dani si gune mayo hai son na dukuri ni si ba ni bon bai ni kinu wai higi za kai na kan mana ba hai ni no mu son mu son mu tunu ni go fuwe mai gaga kabu ha si ba ni di ni dai no go dukuri dan borai Aina hari yang ada gitu. merci aux desk femmes du studio Kalangu qui ne cessent de nous prodiguer des conseils. À présent, accueillons Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Bonjour Alamine. Bonjour Habiba, bonjour Seno. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'autonomisation. Euh, autonomisation المعنى نيتا يمسدرغنا وين نبز نضع الوقوع la à Radio euh, ويتوكس موسى غرغر ان ريجون تنكول النيجر غاسقين سلانيت آه، تنقاوانا لافات الوقوة اما كوزاوانت كنا وقنا دولة النيجر مراوت كرادتي تما يتي وكس ازل نمود انترودن ارتا وين دا فلاس جيتنيتيدن وين تتكلم نزل لان فلقنا وقرن الحالة السياسة دين هروادا دش شغل واتا جينت إما كوين دا سواتي وانت دا في الجنة ويقلنا واتي وا إتي وحلق دو سوكيا إتو دورين شين تصرفنين إسودر دقا كلا امبرنين قوري انت يدين تاسو كويني مورا دقا السباب انجولا واتا جينت ترورين أزلا أسن الشيوة استفر تستا نوتونيميزاسيون انتو دورين يعني أجروا أنت بدين تدور في المنصنة يعني زلا شي رودين دكنت مسؤولية نسنة أبدت في المنصنة ورصاغنت في الولية استارت الشغلة وين تاجين وين تاجين ترودين شين أتي موسن جولاتين أتي موسن تمدين أتي موسن تازتي مدير الدلو جنرة تنيات دغدير تنوى أسيهور أتنقرون السناس انتني c'était à dire انت ستاندرات فرانسيس autonomisation. يوا autonomisation Merci à la mine, chers auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous servir. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions car l'émission Le Niger sur Kalangou est la vôtre. Merci euh, de votre fidélité. Nous allons à présent écouter vos messages vocaux. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana Alhassan Sayyidi amma an yi sani na da Alhassan garin filin game da shirye-shiryen studio Kalangu sai dai mu ce alhamdulillah studio Kalangu tana kokari kwarai da gaske kuma tana waye muna kawuna kuma muna sauraron ta kwarai da gaske muna gamsuwa da dukkanin shirye-shirye waɗanda taka badawa amma ni abun da a babban ra'ayi na labarun nan na minti goma sha biyar inda mu samu na ƙara mana lokaci in akwai dama saboda labarun nan muna sauraron su kwarai da gaske kuma muna karuwa da su kwarai da gaske saboda suna shiga lungu lungu sako sako muna jin labaru har wa'anda ma ba mu tsammanin mu jiya ba kuma insha Allah game da shirye-shirye wannan shirin na matasa wanda aka yi wannan shirin ina jin daɗin shi kwarai da gaske da farko dai ina gaida shugaban gidan radio murya talaka na garin Firinge Alhaji Abdullahi Bagasa akwai manyan masu sauraron mu nan bangaren Filinge irin su Shebu Meka Voilà, chers auditeurs, ici prend fin cette euh, émission de ce vendredi 17 mai 2024. Merci de l'avoir suivi. On se dit à lundi pour une nouvelle présentation. À l'édition, c'était tout simplement Adama Adawaki et la technique a été assurée par Amina Hassan. Si euh, vous avez raté l'émission, pas de panique, nos émissions sont archivées il suffit juste d'aller sur euh, notre site web le www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu pour réécouter l'intégralité de l'émission. N'oubliez pas d'écouter les programmes du week-end actif des jeunes samedi et dimanche. Passez un excellent week-end. Bye bye. Ciao, ciao.